Bonjour euh, fidèles auditrices et auditeurs du studio Kalangou, ravi de vous retrouver pour euh, le premier numéro de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalangou de ce lundi 6 mai 2024. Merci d'être avec nous où que vous soyez. Vous nous écoutez via nos radios partenaires et en streaming sur le kalangu.org. Au micro, je suis Ali Munkela Hussein alias Seno et je suis en compagnie de Samira Rouafi. Bonjour Samira. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, merci ces nous tenons également à adresser nos chaleureuses salutations à nos collègues qui œuvrent dans l'ombre, notamment à la technique, nous avons Mustafa Ayuba et à l'édition, nous avons Adama Dawaki. Alors nous quel est le menu du jour Dans le Niger sur Kalangou d'aujourd'hui, un menu captivant vous attend, chers auditeurs. Tout commence par un flash d'informations percutant pour vous tenir au courant des événements récents. Ensuite, un cocktail musical époustouflant mettant à l'honneur la musique nigérienne. La session du loti avec les desks femmes du studio Kalangu sera servie, suivie d'analyses sportives par notre chroniqueur du jour. Le tout agrémenté par la culture linguistique en anglais et en français. Toujours euh, dans ce menu, c'est nous. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons Leila Ouseni, plus connue sous le nom d'artiste chocolatée. Elle est artiste rappeuse. Avec elle, nous allons parler de la place de la femme nigérienne dans la musique rap au Niger. Nous allons clore cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Vous êtes assurés de passer un moment inoubliable en notre compagnie. Sans trop tarder, je vous propose de suivre le flash d'information avec Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Samira, bonjour Seno. Bonjour. Alors, nous entamons ce flash avec la journée mondiale de la sage-femme qui a été célébrée hier. Le thème choisi cette année est les sages-femmes, une solution vitale pour le climat. Selon la Confédération internationale des sages-femmes ICM, ce corps de métier représente une solution vitale pour adapter les systèmes de santé au changement climatique et réduire les émissions de carbone en général. Les sages-femmes fournissent des services de santé sûrs et respectueux de l'environnement et sont des intervenantes de première ligne en cas de catastrophe climatique. Ensuite, le Palais des Congrès de Niamey a accueilli du 2 au 3 mai 2024 les assises du 6e Congrès de la Société de gynécologie et d'obstétrique du Niger. Selon le ministre de la Santé, en dépit des efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires, la santé maternelle et néonatale demeure demeure préoccupante au Niger où le ratio de mortalité maternelle reste élevé avec plus de 400 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2023. La mortalité néonatale est à 44 décès pour 1000 naissances, soit le plus élevé au monde. Le Niger, à l'instar de tous les pays du monde, s'inscrit dans les engagements pris par les ministres en charge de la santé de la région africaine adoptés lors du sommet des chefs d'État à Malabo de juin 2014 et dont les objectifs poursuivis étaient de mettre fin au décès évitable des mères et des enfants d'ici 2030 enfin en football, l'équipe nationale des moins de 17 ans, le Ménacadé, participera au tournoi U17 de l'UFOA, zone B à Accra du 15 au 28 mai 2024. Dans le cadre des préparatifs de ce tournoi, une trentaine de jeunes talents sont en regroupement au centre technique de la FENIFOOT depuis quelques semaines pour un encadrement. Au cours de ce tournoi, le Ménacadé jouera contre les éperviers cadets du Togo, les Gondel Igles du Nigeria et les Talons Cadets du Burkina Faso. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons aujourd'hui euh, comme invité les Ouseni, dite Chocolaté et les artistes rappeuse. bonjour Chocolaté. Bonjour, ça va Vous ça va bien, Merci de nous honorer et de votre présence avec vous. Nous allons parler de la place de la femme nigérienne dans la musique rap au Niger. Oui, avant d'attaquer nos échanges, euh, à tout seigneur, tout honneur, nous allons écouter l'un de tes titres. C'est parti avec le titre C'est moi sur le trône. Je suis la king, puis je suis la reine. La femme, elle est fâchée, faut pas la chercher. Tu veux me tester, attends, tu veux me tester. Désolé, même si tes flots sont ton léger, c'est ici seulement quand t'as me le pouce t'abonner tu te fais mais pour pas ta tête. Ce putain de rap, c'est pour qui Ne fait pas la star, ça t'avait pas chez moi. Tu te sens passionné, je m'adresse à toi. Ah, tu dis, je te fais pas inspirer, mais je sais que je te fais exciter. Et le cas avoué que le rap n'est pas de faux comme la chatte du gamin. J'ai quitté tout, je lance des hits. Et toi, tu me laisses là où il me laisse, là où il me Attends, une fois deux fois. Je t'explique mieux, tu ne comprends pas. Trois fois, quatre fois. Bonne que c'est moi sur le trône. Appelle-moi Rugicide. Appelle-moi, appelle-moi. C'est moi sur le trône. Appelle-moi Rugicide. Que c'est moi sur le trône. Appelle-moi, appelle-moi. Appelle-moi Appelle-moi Que c'est moi sur le trône. Appelle-moi Rugicide. Que c'est moi sur le trône. Tu connais la voix, mais tu connais la voix. Voilà, c'était là le titre C'est moi sur le trône, chanté par l'artiste Chocolaté, notre invité du jour. Alors, Chocolaté, avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-nous un peu de ce titre, C'est moi sur le, trône. <laughs> c'est moi sur le trône. Dites-nous tout. C'est quoi la petite histoire euh, Bon, au fait, là, je viens de rentrer dans le game. Au fait, là, je vois trop de blabla. Euh, voilà, quoi, tu vois. Hmm. Donc, histoire de s'imposer et tout ça, là. Donc, bon, tu vois c'est le game. Donc je suis venu et bon, je me suis tu dit, as détrôné tout le, monde. trône. Vous avez détrôné tout, le monde. Ouais, c'est moi la Régicide. tu vois, non Tu as regardé la série La Game of Thrones, non ouais. Tu connais le régicide, non Oui. Ok, ben, c'est un peu ça, en fait. Il a détrôné le roi, en fait. <laughs> C'est un peu ça, en fait. Donc je suis là pour détrôner le roi. Ok, ok. Et d'où vient l'inspiration de... Bon, voilà, <laughs> c'est un truc, voilà, ça, ça te vient, en fait. Ça te vient au fait, tu regardes juste euh, le milieu et voilà quoi. Hmm. Tu t'inspires en même temps. Super. Super, alors euh, dites-nous, comment est-ce que vous pouvez décrire l'évolution de la représentation des femmes dans le rap au Niger au fil des années Déjà, elles ne sont pas beaucoup. Bon, euh, la femme même n'est pas représentative au, comment dirais-je, mondialement même. Mhm. Surtout ici au Niger aussi. Donc, euh, après des années, moi, je crois, à part ZM, je suis la seule qui, qui résiste, au fait, mhm. qui est toujours là dans le game. Mhm. Voilà. Il y a Marie Diolo aussi, oui, mais désolée. <laughs> désolée, elle va me tuer. Hein. Avec <laughs> ah, ma copine, est Marie <laughs> Ah non, désolée, un hein, copine. ok, d'accord. Voilà, alors, euh, quel euh. défi spécifique rencontrez-vous, surtout vous les femmes rappeuses qui n'êtes déjà pas nombreuses, par mhm. rapport à aux hommes qui sont dans, le game, comme vous l'aimez l'appeler Comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes avec eux Surtout si on dit aujourd'hui on a invité l'artiste chocolaté, il y a mhm. aussi un homme mhm. qui rappe. Mhm. Comment est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous vous sentez genre un peu en arrière ou bien c'est le moment de montrer ce dont vous êtes capable Bon, oui, c'est le moment, euh, c'est le moment de montrer aussi de quoi je suis capable aussi. Mais à part tout ça, hein, les mecs, euh, je m'entends bien avec les mecs au fait. et, et, puis ils m'encouragent aussi d'accélérer et puis voilà. Donc, j'ai pas de problème avec eux. Pas de problème avec les mecs. Non, pas de problème avec les mecs. <laughs> Mais est-ce qu'il y a des clashs partis entre vous Parce Mais bien mhm. sûr, bien sûr. Bien sûr Et les clashs, ça, ça, ça, ne cause pas de problème euh, Par exemple C'est le game, hein. C'est acceptable Oui, c'est acceptable, au fait le game. Mais même si ça fait mal des fois, hein, <laughs> <laughs> tu vois, et c'est comme c'est même pas les mêmes choses au fait. Quand on dit homme, on dit femme, c'est pas la même chose au fait. Et comment votre propre expérience en tant que rappeuse femme a-t-elle influencé euh, euh, votre parcours artistique euh, bon, pour commencer, bon, ça, ça influence parce que Déjà, même quand on parle de chocolaté aussi, il y a beaucoup aussi qui ont l'idée de, de, de, de qui il s'agit aussi. Donc, euh, il y a beaucoup aussi qui jouent les sons, mes sons et tout ça là. Donc, euh, c'est un peu ça, ça va. Il y a d'autres même qui copient même mon style même, des fois. Mhm. des filles ou des, garçons Des filles même, des filles. Des fans. Des fans, ouais, les fans. Les fans. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui explique cela Est-ce que c'est parce que vous êtes, euh, hmm. vous êtes euh, femme dans le hmm. domaine ou bien Bon, parce que aussi je suis femme, parce que c'est du rare aussi, hmm. parce que je suis femme aussi. Super. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des stéréotypes euh, ou des préjugés auxquels vous avez dû faire face en tant que femme dans cette industrie Bon, on sait, tout, on sait, on sait tous que c'est pas facile, c'est difficile. Quand tu es une femme aussi, tu es dans le milieu, c'est pas, c'est pas, c'est pas facile. Donc euh, toujours il y a des difficultés euh, auxquelles que tu fais face. Mhm. Par exemple, même dans la famille, même c'est pas facile, tu vois. Mhm. Et aussi, aussi, il y a, les gens aussi quand tu deviens star aussi des fois, hein, euh, les gens vont vont te vont te déranger, vont te parler mal, même pas en tant que femme, hein, parce que même tu chantes aussi, c'est tout un c'est tout un problème en fait. Mhm. Donc c'est un peu ça quoi. Est-ce que vous avez eu à faire face à ce genre de situation Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vas voir, tu vas voir, il y a des gens même tu les connais même pas, ils vont t'appeler, ils vont t'insulter. Mm. Je te jure, ils vont t'appeler même, genre même quand ils te voient même, quand te sur scène, on te une case. Oui, ils vont te voir porter des pantalons, tu es sur scène, toujours avec des hommes. Donc pour eux, toi, là, tu sais fini, toi, on t'a classé. on va, <laughs> désolé du terme, on te prend comme une prostituée ou bien je sais pas, du genre. Hein. Parce que euh, un jour, là, j'étais à la maison vers les 3 heures, il y a un monsieur là qui m'a appelé ça disant que non, je suis à tel endroit, viens, viens, viens, viens, viens. J'ai dit, mais j'ai pas compris, tu es à tel endroit. Dis non, viens, viens, toi qui je te vois toujours, tu as des trucs comme ça, des trucs comme ça. Je sais que c'est pas moi seul. Tu vois, non Donc, il va appeler que je, n'ai pas Et comment est-ce que vous arrivez à, Oui, tout ça. Ça me fait mal. Le jour-là, je n'ai pas dormi. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Quoi. Mais j'ai une question mm. spécifique. Est-ce que vous sentez différente par rapport aux autres femmes qui euh, par exemple, ou mhm. bien qui chantent tout naturellement. Est-ce que mhm. vous sentez que, genre, il y a une façon de les traiter que vous, on vous traite c'est différemment Oui, c'est, c'est différent, en fait. Parce que, par exemple, quand tu prends euh, les slameurs, euh, eux, là-bas, comme on voit que non, ils ne sont pas en train de rapper, ils ne disent pas des trucs, des, des, petits mots, des petites phrases et tout mhm. ça, là. Donc, ça va pour eux. Et puis, et puis, les chanteuses aussi, ça va pour eux. Mais rappeuses tu vois, tu t'habilles d'une manière voilà, vulgaire et tout ça là. C'est autre chose. Ils ne comprennent pas que c'est le game qui. C'est le game qui est comme ça, ils ne comprennent pas. C'est un peu ça, mais sinon, c'est pas facile. Et, comment est-ce que vous arrivez à, surmonter tout cela Bon, juste, je me dis que hmm. voilà, c'est un boulot que je me suis dit de, de, de, de faire, donc voilà quoi. Hmm. c'est un choix. C'est un choix, c'est un choix, au fait. C'est une passion, donc euh, je suis passionné, donc moi, je m'en fous, en fait. Hmm. Voilà. D'accord, chocolaté, c'est noté. Euh, merci. Euh, nous avons retenu que voilà, malgré les préjugés, vous arrivez quand même à surmonter hein, les ondits, les insultes, euh, de la façon dont on vous traite en tant que femme dans le game. On va prendre une petite pause musicale avant de mm. continuer et cette fois-ci, on va découvrir euh, euh, l'un de vos titres que vous avez chanté en featuring avec Marie Diallo. Voici Inasuke. Tu connais, tu connais pas. Petite, tais-toi, Inasukewe, Inasuke Natamoyaki, Inasukeyo, Inasukeyo, Inasuke, yo, Inasuke Natamoyaku, Inasukeyo, Inakuche, Inasukewe. C'était là le titre Inasuki, un truc qui fait peur quand les autres artistes vont l'entendre. On va dire, mais les filles là, elles se sont préparées. <laughs> Poursuivons nos échanges avec Chocolaté, notre invité du jour. Alors, Chocolaté, quel message ou bien quel thème abordez-vous dans vos titres de rap hmm, Bon, ça dépend de l'inspiration aussi. Mhm. <laughs> ça dépend, ça dépend de comment en fait. Et bon, je chante pour euh, pour la société aussi. Donc, mhm. euh, je chante tout, je, fais beaucoup de trucs. Mm. Bah là, déjà, nous savons qu'il y a certains qui demandent à ce qu'on leur compose des beats mhm. pour qu'ils puissent s'inspirer et voir quel mot va venir et sur quel thème aller. vous êtes de ce genre ou bien vous préférez écrire et après chercher le beat Non, je préfère avoir l'instru d'abord. Mhm. Mm. Je préfère avoir l'instru. C'est plus facile C'est plus facilement pour moi. Ok, mm. ok. Alors, Chocolaté, dites-nous, euh, ça fait combien d'années déjà que vous êtes dans le game ça fait 4 ans. 4 ans. Oh. Et vous avez combien de, de titres ou bien combien d'albums Moi, j'ai un album. Euh, j'ai 5 clips qui sont sortis. Wow. Voilà. Et il y a une aussi qui va sortir dans peu de temps. Hmm. Et est-ce que vous avez déjà euh, songé à, à, à, faire, c'est euh, pas un vernissage ou bien pour Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais après, bientôt. Après, bientôt, <laughs> Pas de souci, prends tout ton temps. <laughs> voilà, j'ai une question un peu, euh, disons, personnelle. Uh-huh. Je me suis toujours demandé ça, mais vu que je ne côtoie pas trop d'artistes, je peux pas avoir la réponse. Là, je, uh-huh. profite de ce micro pour te poser cette question. Est-ce que vous êtes aussi du genre à, à créer un buzz uh-huh autour d'un truc, les gens vont commencer à se poser des questions, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, puis <laughs> après créer une autre bombe, soit sortir un clip ou bien organiser un concert. Ouais. Bon, bien sûr, ça manque pas. Ça manque pas les ah. buzz, ça manque <laughs> pas. ça manque pas. Au fait, quand tu, quand, tu vois euh, les choses sont silencieuses, Genre, tu te dis, bon, est-ce que je ne veux pas faire ça Est-ce que je ne veux pas faire ci Oui, <laughs> pour tuer tout le monde, mettre tout le monde dans l'angoisse et tout ça. Là, après, voilà, c'est pour aussi lancer aussi euh, une sortie aussi. Mm. Et ça marche mm. Est-ce que ça marche euh, bon, ça marche. Au fait, ici au Niger, bon, ça marche pas. Mm-hmm. Bon, ça marche pas parce que les gens, <laughs> ouais. ça marche pas parce que oui, <laughs> <laughs> Alors, Chocolaté, euh, pensez-vous que euh, le rap peut être un outil efficace pour défendre les droits des femmes et promouvoir l'égalité des genres au Niger hmm? Je reprends la question. Donc, pensez-vous que le rap mm-hmm. peut être un outil efficace pour défendre les droits des femmes et promouvoir l'égalité des genres au Niger. Oui, bien sûr. Hmm. Bien sûr. Euh, vous avez l'habitude de chanter, je sais pas, des sons qui, qui, qui, qui défendent les droits des femmes Oui, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Beaucoup de thèmes même, beaucoup de thèmes même, parce que mm. la musique aussi n'est pas faite pour venir se clasher. Mm. C'est fait aussi à lancer des messages, mm-hmm. voilà, interdit tel truc, telle chose et tout ça là. Mm. Et la musique aussi, c'est pour, euh, c'est fait pour lancer, pour lancer des messages aussi. C'est pas pour venir se clasher, s'insulter. Est-ce que Néo, est-ce ah. que Arambeiga, oui, bien sûr. Sanga Souvent, Wendekar. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien euh, sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup de thèmes aussi, euh, par exemple, comme ça aussi, qui vont sortir dans peu de temps. Ok. Mm. Ça fait partie des titres De, votre album Oui, ça fait partie. Ok, d'accord. Mm. Chocolatier, nous savons que vous évoluez aussi dans un groupe mm-hmm. où <laughs> c'est que des femmes et elles sont dans divers trucs. Il y a des slameuses, il y a des chanteuses, vous êtes rappeuses. Est-ce que ça vous arrive d'être euh, qu'on fasse appel à vous pour venir organiser, pour faire un concert peut-être Et quel genre de thème déjà vous abordez dans ce groupe Déjà, au fait, euh, histoire de défendre la femme aussi, comme lui, il vient de dire aussi, mhm. et l'égalité aussi de la, euh, du sexe aussi, mhm. c'est un peu ça aussi. Donc, on aborde aussi beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes. Donc, c'est fait juste pour ça, son Niger. Est-ce que vous vous sentez bien dans un groupe Bien sûr. Ça vous donne envie de vous mettre en collaboration pour toujours avec quelqu'un Bien sûr, <laughs> bien sûr. Super, alors quels sont les changements que vous aimeriez voir dans l'industrie de la musique ici au Niger pour que ça change et qu'il y ait plus une meilleure représentation déjà de la femme et une inclusion mm-hmm. En fait, moi, il euh, faut que vraiment ça change. Hein. Mm-hmm. Parce que déjà, euh, pour l'instant, euh, tout est bloqué. Tout est bloqué. Hum, tout n'avance pas, et les choses sont là. Donc, euh, pour avancer aussi, il faut vraiment qu'on soit, qu'on soit unis au fait. Il faut qu'on soit unis, il faut qu'on se batte au fait. Il faut qu'on qu'on travaille deux fois plus que ce qu'on fait. Donc, il, il nous faut ça. Parce que jusqu'à là, rien, rien ne va bien en fait. Mhm. Il faut vraiment qu'on qu'on fait mieux que ce qu'on fait c'est bien, c'est ça, ça, ça, ça, commence à aller, ça, avance, mais il faut vraiment qu'on fasse mieux que ça. Mm. Les artistes ou bien la population Les artistes. Les artistes et, les et, la population. Mm, donc, selon vous. Il y a tout le monde, quoi. Ok. Selon vous, les artistes ne bossent pas trop ou bien. Non. Ils ne bossent pas pas. Ils n'ont pas de soutien chocolaté. <laughs> eux ne bossent pas. Eux-mêmes ne bossent pas. <laughs> Ah. Eux-mêmes ne bossent pas. Alors, en disant qu'ils ne bossent pas, selon vous, ce n'est pas une occasion de faire plus pour que vous, vous mm. puissiez vous hisser encore plus haut et rester sur le trône Non, eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne travaillent pas que je suis sur le trône. <laughs> sérieux, s'ils travaillent, euh, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Donc, s'ils travaillent, ils vont non, vous détrôner. non, sérieux. S'ils travaillent, là, ah. Ça peut même pas se faire. Alors, ce qui nous amène à la seconde question. Comment la communauté euh, rap euh, nigérienne, du rap nigérien, en particulier les hommes rappeurs, réagissent-ils euh, par rapport à l'ascension des femmes dans ce milieu ils, approuvent, ils vous encouragent. Pas chocolater seulement, même Marie, est-ce que ça, ça leur plaît de voir qu'il y a des femmes qui veulent prendre les devants Bon, je les clash toujours. <laughs> Je les clash toujours, je les insulte toujours, mais avec tout ça, ils m'adorent. Hein. <laughs> ils m'adorent. <laughs> ils m'adorent, c'est pas facile. Euh, voilà. Euh, sérieux, c'est juste ça, au fait. Ils vont laisser tomber seulement, c'est tout, quoi, au fait. Oui. Alors, racontez-nous un peu eh, comment ça se passe. Vous venez de le dire en, euh, en début de l'émission que c'est pas facile avec la famille. Comment est-ce que vous, de votre côté, vous arrivez à gérer avec la famille Bon, pour commencer, moi, j'ai pas de problème avec ma mère. Parce que et, tout de suite, tu te rappelles bien le concours tremplin jeune talent au Niger, là. Mhm. C'est elle-même qui est partie m'inscrire. Hein. Parce qu'elle voit que toujours, je suis tellement inspirée par rapport à la musique. J'aime bien rapper. Je suis toujours là avec des casques. Je me rappelle, Belle m'achetait même des casques pour bien kiffer tout ça, les sons et tout ça, là. Donc, elle est pas tellement inscrite. Donc, pas elle, mais les autres. Il y a les tantes et les tontons. Qui t'encouragent Non qui, sont, contre. qui sont contre, au fait. Elle, elle est pour, mais les autres, au fait. Non, toi, tu laisses ta fille, elle porte des jupes munies, elle porte des déchirés dans des hommes, où elle va trouver mariage, des trucs comme ça. Bon, elle dit c'est sa passion. Hein. C'est sa passion. Donc, elle, elle peut rien, elle peut rien dire, au fait. C'est son choix. Donc elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Elle-même, elle n'est pas petite, elle sait ce qu'elle veut. Mhm. Donc voilà, quoi. Moi, tout dans tout ce qu'elle s'y met, moi, je l'encourage. Mm. C'est un peu ça, au fait. Donc après, ils ont parlé, parlé, parlé, mais maintenant, ils m'ont lâché. Hein. Ouais, ça fait quand même 4 ans. Ils m'ont lâché, ils m'ont <laughs> lâché. Ils ont vu que. Voilà, quoi. Alors, qu'en est-il des études Comment concilier cette vie euh, professionnelle que tu viens. Parce que c'est une vie professionnelle que mhm. tu, poursuis. Mhm. Comment tu fais pour gérer, faire avancer ta carrière et aussi tes études Bon, les études, ouais, j'ai commencé, mais là, pour l'année, là, j'ai un peu arrêté. Ok, tu as mis une pause. Est-ce que c'est par pause. rapport au rap Non, bien. ici, on peut le dire, parce que là, je suis en train de préparer un album, donc juste pour ça, pour un peu euh, Te concentrer. Parce que ça ne peut pas se faire de mélanger les deux à la même, à la même fois, en fait. Mhm. Déjà, le rap, tu biches ça dans ton cerveau. Mhm. Et les études aussi, c'est dans le cerveau. Donc, euh, ça va être compliqué pour moi hein, de <laughs> mélanger mon album et les études là être compliqué. en tout cas, ça risque d'être compliqué. Est-ce que c'est une pause Vous allez euh, peut-être juste après euh, Non, je vais reprendre. non, vous allez reprendre Non, je vais reprendre, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, quels euh, quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui aspirent à devenir rappeuses au Niger, malgré les obstacles que vous venez de citer Bon, je les encourage. Hum, et je leur dis aussi de ne pas lâcher prise. Certes, ouais, c'est difficile et tout ça là, mais ça n'empêche. Ça n'empêche pas. Donc, euh, si tu es passionné, fonce, fonce, fonce. Est-ce que toi, à un moment donné, ça, ça t'est déjà passé par la tête de vouloir lâcher, vouloir abandonner Parce que euh, s'il y a certains hommes qui vont se permettre de vous écrire sur les réseaux sociaux pour non, vous Non, en fait, moi, moi, moi, ce qui m'a fait décroger la première fois que je me suis décroisée, c'était la première fois que je t'avais dit que le monsieur, là, un vieux yard que je connais même pas, <laughs> qui m'appelle à 2h, 3h, qui me dit Viens à tel endroit, je t'attends, je, te, paye combien Tu vois Ça m'a découragée. Oui. Je suis là, le jour-là, j'ai pas dormi. J'ai dit, mais c'est quoi ça Tu m'appelles pour faire quoi <laughs> Non, sérieux. Donc, eux, là, dès qu'ils te voient, là, non, c'est pour aller vendre ou quoi Non, sérieux. D'accord. Alors, euh, voilà. oui, mhm. Samy, allez-y. Et comment est-ce que vous, voyez l'avenir du rap euh, féminin ici au Niger, surtout avec tous ces aléas euh, et son impact sur la société Non Ça avance. Est-ce que ça va aller Ça va aller, je suis là, non <laughs> Ça va aller. Tant que vous êtes là, ça va aller. On peut compter sur vous. Bien sûr, bien sûr. Super. Une question, euh, chocolatée. Chocolaté. Mm. Vous avez parlé également en début de l'émission de euh, ZM, mm-hmm. qui est une ancienne dans le domaine. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller euh, vers ZM pour avoir des conseils, avoir, je sais pas. Est-ce que vous, pouvez partager avec nous J'ai même un futung avec elle-même qui va sortir aussi dans peu de temps. Wow. c'est une maman que moi j'aime beaucoup, hein. Hmm. franchement parler. Et j'aime bien, j'aime bien de la manière qu'elle rappe aussi. C'est tests, c'est flots, non, c'est la merde. Même maintenant, même ZDM peut s'arrêter devant moi, je je, je peux pas m'arrêter. Hein? non, sérieux, je, ah, je vais m'incliner en fait. Mm. non, elle, c'est elle, <laughs> sérieux. Est-ce qu'elle elle, elle, vous donne des conseils Bien sûr, bien sûr, bien mm. sûr, bien sûr. Toujours, toujours quand on se voit aussi, elle les conseils aussi. Euh, voilà. Et elle m'encourage aussi à, à fond. Mm. Donc, c'est quelqu'un aussi, c'est une dame aussi que j'apprécie beaucoup Hmm. Et comment est-ce que vous voyez votre musique d'ici dans 5 à 10 ans Dans 5 ans, 10 ans Oui, 5 à 10 ans. Ah, je ne serai pas ici. <laughs> je ne serai pas ici. Là, le nom du Niger est parti, même loin, loin. Quoi. Et vous allez amener le nom du, Niger où, bien sûr. exactement où, euh, partout, partout, partout, partout, dans le monde. Partout dans le monde. <laughs> Partout dans le monde. Ça, parce que l'album qui ah qui vient là, ah ouais, là, elles vont dire que ouais, maintenant on a une belle rappeuse ici au Niger, et voilà, on va, entendre parler de moi partout, le Niger, ouais, non en tout cas, Leila alias Chocolaté, nous vous souhaitons vraiment un parcours exceptionnel, surtout euh, une grande réussite euh, dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre carrière artistique. Merci, infiniment d'avoir répondu euh, présent à cette invitation du studio Kalango. Nous vous souhaitons bon vent encore et une très belle journée de ce lundi. Merci beaucoup. Chers auditeurs, on prend une pause et on se retrouve juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique. Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production c'est nous, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Oui, Samira, nous sommes euh, lundi, nous allons parler justice. Exactement, c'est nous, on va parler euh, des conditions de détention dans la maison d'arrêt de Maradi qui a une capacité d'accueil de 300 personnes. Oui, cette euh, maison d'arrêt accueille aujourd'hui près de 700 prisonniers, a indiqué Adamou Adam Wada, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Maradi. Il a ajouté qu'une procédure est déclenchée pour envoyer moins de personnes en prison. On l'écoute au micro de Mohamed Maman. Ces conditions de détention, elles ont toujours été les mêmes. C'est pénible pour tous les détenus et par ailleurs pour toute la population. Qu'il s'agisse de maisons d'arrêt ou même des hôpitaux, la canicule étant, les gens essaient de survivre à ces temps caniculaires et les prisonniers aussi n'ont pas un traitement malheureusement particulier face à cela. Je voudrais surtout m'exprimer par rapport à la surpopulation carcérale qui constitue en réalité le véritable problème, non la canicule en tant que telle. Depuis ma prise de service euh, il y a quatre mois de cela, malgré la politique du plaidé coupable qu'on appelle en euh, termes plus juridiques la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que j'ai mise en œuvre, j'arrive à envoyer de moins en moins de personnes dans les maisons d'arrêt. Mais euh, la population carcérale ne fait que gonfler en raison du nombre de terroristes qui était il y a quatre mois de cela de 98 et qui est aujourd'hui monté à 130. Et malheureusement, ces gens-là ne peuvent pas être jugés à maladie, ne peuvent être jugés qu'à Niamey où il existe le pôle antiterroriste. Donc c'est ça le véritable problème que nous traversons. Mais un arrêté a été récemment pris pour permettre leur transfert. Donc je pense qu'avec euh, la mise en œuvre de cet arrêté-là, nous serons soulagés par rapport à cette surpopulation carcérale. Donc, ce n'est pas la canicule notre problème, mais c'est surtout en vérité la surpopulation carcérale. Monsieur le procureur, euh, nous avons appris que ces prisonniers se sont soulevés euh, dernièrement par rapport donc à ces conditions de chaleur et dans lesquelles ils vivent. Oui, oui, j'étais à Niamey lorsque j'ai donné des instructions aux substituts pour gérer cet état de fait, mais en vérité, ça n'avait rien à voir avec la canicule. C'était une cuisine interne, comme on le dit. C'était pour l'élection de leur saki qu'ils ne se sont pas entendus avec le régisseur et c'est cela, en fait, euh, l'origine de ces émeutes au sein de la maison d'arrêt, mais je pense que tout est maintenant rentré dans l'ordre. Monsieur le procureur, comme vous l'avez dit, depuis que vous êtes maladie. Vous êtes en train de mettre en, place, en tout cas en pratique, une politique qui permettra euh, d'amener de moins en moins de personnes. À quoi consiste euh, effectivement en tout cas cette procédure Oui, cette procédure euh, de la reconnaissance préalable de culpabilité, c'est en fait une entente, comme une transaction entre le procureur et le prévenu, qui l'interroge par rapport aux faits et si ces faits sont reconnus, le procureur lui demande, est-ce que, en raison des faits qu'il a reconnus, est-ce qu'il peut accepter une peine d'amende ferme ou avec sursis et une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis. Et si d'aventure le prévenu acceptait le compromis, c'est un deal, le dossier sera transmis devant le juge pour homologation. C'est ça la procédure du plaidé coupable ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Même ce matin, nous l'avons pratiqué dans le cas d'une détention de drogue. Donc, et là, avec le prévenu, nous avons discuté, il d'accord sur une peine ferme d'emprisonnement de trois mois et une amende de 500 000. Donc c'est comme ça que nous gérons au quotidien cet aspect-là et cela nous permet de contrôler en fait la population carcérale parce que je pense que sans la mise en œuvre de cette procédure euh, de comparution sur reconnaissance préalable, nous serions peut-être aujourd'hui peut-être à 700 à la prison de Maradi. Mais euh, nous sommes encore euh, à 632 ce matin avec le transfert de 114 nous serons dans la fourchette des 500 et là, ça va être beaucoup plus raisonnable, quoique la population carcérale demeurera en raison du nombre de places qui est de, d'environ 350 ici à la prison de Maradi. Donc, euh, dans tous les cas, nous serons dans ce cas de surpopulation, mais nous allons juguler vraiment euh, cette population carcérale par la mise en œuvre justement de cette procédure-là. Chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire Justice, sinon. Repartons en musique, cette fois-ci avec le titre No de Nourat la Deposta. ne sont pas ne sont pas morts. Nos morts ne sont pas morts. Mais où sont-ils Combien de fois allons-nous pleurer nos morts Combien de fois allons-nous chanter nos remords Nos regrets nous ont certes servi de leçon. Des conseils, on en a avalé. Chacun se déclare bon, disons même avec des coups pas signalés. Ne sommes-nous tous pas faux au fond de ma plume, mon amertume se déverse une feuille innocente. Mais dire dérange une classe constante d'être menaçant flèche mortière en direction des âmes sanguinaires. Combien de fois allons-nous pleurer nos morts Combien de fois allons-nous chanter nos remords Nos morts ne sont pas morts. Nos morts ne sont pas morts. Nos pleurs ont-ils servi à quelque chose Nos pleurs ont-ils défendu nos causes Nos océans de larmes ont-ils noyé nos apparences honteuses Nos plaintes pourront-elles être traitées à la cour des confessions coûteuses Moi je dis non, non et non. Alors levons les yeux vers le ciel et respirons l'air sauvage de notre méchanceté, la pollution morale de notre environnement réel, l'égoïsme de notre pureté. Car nous l'avons certes mérité, nous l'avons dirigé, nous l'avons aimé, nous avons aimé une haine nocturne dans nos cœurs tout en applaudissant la danse de nos rancœurs. On est fier d'espionner la richesse du voisin, on est même récompensé à la trahison du cousin. J'ai même vu un fils poignarder sa mère. D'autres diront que c'est des rumeurs, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'autre père a couché avec sa fille. Parce qu'il reste sans morale et ne contrôle sa béquille. Mais où allons-nous Combien de fois allons-nous pleurer nos morts Combien de fois allons-nous chanter nom D'autres ont assassiné leurs frères au nom de l'héritage. C'est des histoires qui se perpétuent au fil des âges. Mais ma génération, elle, va jusqu'à ôter la vie au nom de la religion. Mais quelle religion Si des hommes ont vendu la patrie à des extrémistes afin de désaltérer leur soif politique, ils ont même constitué une armée mixte juste pour fuir nos critiques. Ils se cachent derrière des masques sans couleur pour véhiculer leur véné amère. sans honte. Ils nous présentent des condoléances mesquines, ces scrupules internes nos rêves coquins nous installent sur une dule ferme les écoles, poussent nos sœurs à la prostitution chronique pour détruire nos héros ambitions politiques. Ainsi, les resteront tranquilles sur leur fauteuil merdique. Nous ne pas morts. Aujourd'hui, je me rends compte que nous avons besoin d'un héros. Alors de ma plume, je lance l'appel à candidature. Mon vœu le plus sûr, que nous sachions que nous sommes tous coupables, coupables de tous nos maux. En l'acceptant, le changement arrivera, car le changement, c'est nous. Le changement, c'est nous. Après cette pause musicale, cher auditeur, direction Kony, région d'Ottawa, pour parler des préparatifs de la campagne hivernale. Chaque année, avant l'installation de la saison pluvieuse, les agriculteurs font du business en hausa, c'est-à-dire les semis avant l'arrivée de la première pluie. Comment euh, le faire et quels sont les avantages et inconvénients de cette pratique Élément de réponse dans ce reportage d'Asuman Moussa Arzika. A yanzu haka a cikin gundumar birnin Kwanni da ke cikin jihar Tattawa wasu manoma sun soma gudanar da shibka kamin saukar ruwan sama. Wannan tsohuwar al'ada na sanya shibkar ta zabura ta girma da gaugawa tun harkon damana. Mahi yawancin manoma na ganin ingancin wannan tsarin shine yasa suke ci gaba da yansa. a cikin tsarin su na noma a cewar wasu manoma da na yi karo da su. Bisa ne mun hada sabilin bisa ne abin da muka yi ne a maga aiki da yawa rage aiki na kuma bisa ne zuwa na muka yi misali a zo a yi ramu a biya tsaba a sa takin zamani a sa hazo a ruhi kawai yanzu abinda maka fata Allah ba mu da sama masu albarka kin ruwan sama sabka na maka yi ne kwarai kawai in mun ka yi shi Allah kawo ruwa ka gani an rage aiki wani huri misali muna nan muna ta nuhin yi in Allah da da fata gashi za mu so mu tunda mun ga alamu gashi nan dai kana gani kai kan ga girgije nan kana gani akwai muhimmanci ga su ne in duk kai shi in Allah su Allah kawo ruwa kwanaki kaɗan na zaka kama noma in Allah sai dai game da canjin yanayi akwai abubuwa na bazata da ke iya faruwa akan yin shi suka kamin saukar ruwan sama mailmanta akan sha'anin noma sun kiyasta akan wannan al'adar manoma cewa yin shibka kamin saukar ruwan sama akwai matsaloli sosai a cewar shaibu abu zaidi masani a harkar noma a matsayin mu na takanisiyan na gidan gona ba mu baka shawarar kai bizini saboda illolin shi sun hiya kana ya kai bizini ayi ruwa ba su isa ba shi na dai koko kahin ayi ruwan kwari su doki abinda da kasa cikin kasa kenan ko an yi ruwa babu balle ta hito ka kenan kai hasara tunda shi siman skin inda na kali municipality tana tsare gare shi bizne mahiyanci a nan karkaran mu wanda an kai bizinan nan mahiyanci suna na ke saurin kai kuma su shini murzuna ke hallakawa ko ko tsuntsu in ya taho su suke hallakawa kenan mahiyanci duk masu bizinan nan lalle shi na badawa in ruwa sun yi amma mahiyanci bai kan labari saboda tsutsa murzuna ko ko tsuntsaye sai su su buge tunda su suna da yunwa abinda sun gani na suka dokewa kenan ko kasa fungicide kin in an kai ruwa kadan wanda ba su kai milimetar ashirin ba kenan sai hatsin su kaba ba su hita da kyawu kenan kaga sun dago ba su hito ba kenan kai hasara eh kuma takan yiwa kai ka sa fungicide kin ka kana nuhin na na. amma an kware ka an da kware ka ba na na ba kenan kwari ma sai su ji dadin ci kenan kai hasara duk da waɗannan tsarurruka akwai matsaloli da ake huskanta wajen tsarin shirye-shiryen noma a Voilà, chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web le www.studiokalangu.org. À présent, accueillons notre chroniqueur sportif du jour. Il s'agit de Gourouza Hasumi qui est déjà avec nous dans ce studio. Bonjour Gourouza. Ah, bonjour, bonjour nous. bonjour Samira. Bonjour. Alors nous ouvrons cette euh, page sportive avec le lancement du tournoi interétablissement de football féminin à Difa. Oui, nous irons euh, dans le Mangari le Mangari organisé par la Fédération jeunes de football à travers la Ligue régionale. Ce tournoi regroupe 16 euh, équipes des 8 établissements de la ville, de collège au lycée. Ça concerne également deux catégories, U17, U18 L'objectif, euh, c'est de mettre en place euh, des équipes régionales dans ces catégories pour représenter la région de Difa aux différentes compétitions nationales. Ainsi, la Finifoot pourrait avoir également des nouveaux joueurs pour renforcer l'équipe nationale afin de bien représenter le Niger aux compétitions internationales. Il faut noter qu'à l'occasion du lancement de ce tournoi féminin, la Finifoot a remis des équipements sportifs à toutes les équipes participantes. Ngoruza retour à Niamey pour parler de la fin du Maracana de football qui a débuté le 26 avril dernier. Oui, ce tournoi, il faut noter, a débuté à la rive droite et regroupe 10 clubs composés de jeunes et de moins jeunes. La finale a eu lieu avec euh, les deux clubs de la Cour des Grands, dont euh, la première et deuxième place ont été remportées par les Grands. Euh, suivant les explications du promoteur de ce tournoi de Maracana, Petit Poteau, Pascal Gauthier ça s'est passé dans une ambiance festive et puis voilà, on a eu en demi-finale euh, la Cour des Grands qui était face à la victoire de la Cour des Grands 1 euh, et la Cour des Grands de s'est imposée face à l'équipe des jeunes euh, de dimanche. Et puis voilà, donc la finale a opposé les deux équipes de la Cour des Grands, où il a fallu les séances pour départager les deux équipes. Il faut dire que une finale euh, très satisfaisante, qui a répondu euh, c'est-à-dire euh, aux différentes attentes des participants surtout et des supporters ayant effectué le développement de cette pelouse, hein, il faut le préciser, qui est située au niveau du rond-point Kennedy. Vous avez pu organiser Kahin Kahan, cette compétition. maintenant, pour l'avenir Ça a été compliqué. On l'avait, si vous vous rappelez, dès l'entente de cette troisième édition, on était parti pour avoir des partenaires, c'est-à-dire des partenaires qui vont essayer de vendre également leurs produits. Mais très malheureusement, on était, on déçus par ces, derniers. Il n'y a pas eu de reprendant hein, sur le plan sponsoring. On a fait avec les moyens de bord. Mais ce qui est politique dans tout cela, euh, c'est qu'au-delà de cette compétition de football, nous, nous sommes dit qu'il fallait échanger, il fallait conduire hein, et il fallait amener ces gens à comprendre que nous sommes dans une situation un peu compliquée au Niger. aujourd'hui, euh, dans notre parcelle d'intervention qui est le football, euh, les gens sont compris, les équipes participantes ont compris qu'ensemble, on peut, on, peut pousser des montagnes. C'est ce qui nous a valu, c'est-à-dire la réussite de cette compétition. Aujourd'hui, cette idée, hein, c'est de rejoindre le CNSP dans sa logique, euh, d'amener les fils et les filles du pays à comprendre que quand on forme un bloc derrière euh, euh, un objectif, on peut la faire. C'est ce qui s'est passé. Président, il euh, y a eu la participation des filles Les filles, non, il n'y a pas eu de, de, filles. On s'est dit qu'il fallait juste procéder euh, dans un premier temps par euh, les équipes masculines et après peut-être pourquoi pas faire participer les filles. Là, ça serait peut-être aussi cette manière d'amener ces, jeunes filles, hein, c'est-à-dire avoir peut-être quelques notions dans, le domaine du football et après pourquoi pas jouer les, les, grands poteaux. Quand, que j'appelle les grands poteaux, être sur les grands terrains. En fait, c'est un peu ça l'idée voilà, c'était là le promoteur de ce tournoi euh, de Maracana, édition 2024, Pascal Gauthier, et c'est tout également pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, il est l'heure de découvrir notre star du jour, n'est-ce pas Oui Samira, notre étoile d'aujourd'hui est Aboubakar Ibrahim. Il est âgé de 22 ans et pratique une activité de taxi cycliste euh, tricycle, voilà, autant pour moi, excusez, communément appelé Adei d'État dans la ville euh, de Mayayi, région de Maradi. Exactement, après ses études secondaires, il a commencé un apprentissage dans un garage avant d'atterrir dans le transport de personnes avec son aide d'État il y a de cela trois ans. Avec euh, cette activité, il gagne sa vie euh, dans les bonnes conditions et parvient même à aider les autres. Voici son portrait euh, réalisé par Issoufou Cheibou à Mayaï. Malam Abubakar Ibrahim mai sana'ar a daidaita a nan birnin Mai ya rungumi sana'o'i da dama kamar biyan mota sannan yau da shekaru uku ya shiga sana'ar a daidaita ya ce wannan sana'a kwalliya tana biyan kuɗin sabulu. Sana'a ta dai a daidaita tun daga ta nan ma yanzu ina ta gungurawa muna cikin godiya kuma ba laihi muna samun abin da muke ci muna biyan bukatun cin na alheri na cin wani kwarai ta ina jan ta mutane an na kai ga yanzu ta wata kaina harkoki dai bakin gwalgwado dai ina yi ina bin bukatoci na in ci in sha da ni da dangina da iyalina duk wanda ya ke da halin taimaka mu a ciki dai ina taimaka mishi ganin cewa ɗumbin matasa ne ke zamne ba sana'a ana zaman shira malam abubakar ibrahim ya miƙa kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da masu akwai da niyya da a tallafa matasa don su iya dogaro da kai. Eh muna so a ƙara mu a taimaka mu wanda ba su da abin yi gaskiya a dan kama musu tunda yawanci akwai yanzu kawon shugabanninmu masu ɗan suna iya su dan wasu wa'anda ba su tun daga yaran nan zamna wasu ba su da aiki kenan dan taimaka musu wanda ya sai ya ba su su dan ji haka kenan kawai an dan taimaka ne. Malam Lasi Ibrahim wani mai amfani da adaidaita ne ya ce lalle wannan sana'a tana taimakon matasa sannan kuma suna kawo sauki ga jama'a wajen zuwa da zawa. Adaidaita gaskiya ta kawo ci gaba da yawa saboda ko kare nawa na dare kai kiran mutum yana ɗauko maka iyalin in ba su jin daɗin jikin su ka tawo ka kawo su likita ka koma har yau kuma kana uzuri za ka taya ka shiga mota da ka tsare ta zai taya kai ka sai dai ganin tashin gwamnan zabo da isan su yayi a bisa kasuwannin bayan fage ya kawo ƙarin farashin hawan a daidaita wannan kawai a cewar abubakar ibrahim wannan ba karamin kalubale ba ne matsalar mai kau ba mu kaɗai ke da matsalolin mai ba gaskiya dan matsalar mai akwai matsalar mai gaskiya to kuma al'umma yanzu an ce a ƙara kuɗi wasu haka na ana dai dan ƙara musu wasu kuma in suka zo da kukansu ba su da haka nan dai yadda muke mu dan farashin da muka kara dai ba wani ba in ma ka zo ka nuna ba ka da haka na ana taya da kai sana'a ko ba ta biya ma dukkan bukatu tana kare ma mutunci kuma tana hana ka roƙo wajen abokanka shi yasa malam abubakar ibrahim ya ce matasa a tashi a nemi na kai zama yanzu haka nan ba yi dama zamniya ne ko da baka ake yi to gaskiya mai baka ya dan gashi koya ne ko bai nuna ma ba gaskiya a huska dai za ka iya ka gani gaskiya kuma ka tashi ka buɗe na kanka hira sai an tallafa ma sana'a sa'a rishin sana'a rishin sa'a a wannan lokaci da muke ciki wajibi ne a rungumi sana'a don biyan bukata ce portrait très inspirant, bouclons plutôt euh, notre playlist d'aujourd'hui avec ce titre d'Oliprane de l'artiste Hakim. c'est quand j'ai choisi le rap, j'ai dit sortir les armes. J'ai payé des mouchoirs, je sais que je vais couler des larmes. Maintenant moi la gestion, mate la musique et tous les charmes. Message à tous mes fans, voici le doliprane. Hey, yaro Da shekara dubu semeke iya mehura kiban kwanan kunu kibar Alal misali masta kaya ne gotan kazo filin daga bambace da Pour faire la zig suffit pas d'avoir le talent, faut de la personnalité et un bon comportement. Y'a trop de haine, on s'entretue pour des miettes. Faut garnir l'assiette dans ta tête, mais ça sera parallèle. Mais parlez pas de Dieu, mais parlez pas de son prophète. Mais parlez pas trop de Coran, la foi c'est dans le cœur. Tu peux le vénérer, limite faire des louanges. Tu verras les anges qui te diront que la zik c'est pas halal. Kazaburo Kayaro way Don on est de Magani. C'est un Hankali, on Mune Yaranzamani. de Magani, de La prod est salivée parce que les vrais l'ont validé. Igo t'as pas idée de comment moi j'ai charbonné j'ai pardonné sans pardonner. Mais est-ce que Dieu va pardonner? Mais que tu viennes ou que tu vas, sache que le terrain est miné. Ah, Kemastabe, Agagota Kabani, Meka, Antakarebani, pas Parce que le DH est Keblo et puis massif à le Kebri, la petite nous sert le premier. On va danser sur la trappe au niveau international. Je vois l'amour de mes fans perdu dans les salles J'ai plus d'amour pour ces gens, je reste le marginal C'est pas de l'ego trip, non non c'est pas des punchlines Tourner dans les villes avec mes proches, donc ça sera l'idéal Je suis dans les allées, en haut au sommet de la falaise Sache que la prod les les balaises, elle donne beaucoup de malaise Dans les allées, je suis calé, tu parles en bien ou en mal Sache que j'accomplis le taf et que je vais remplir les salles Quand j'ai dû pardonner, croyais que j'ai lâché l'affaire Mais je l'ai fait juste pour revoir les sourires de ma mère Tu fais du mal, moi je suis resté pêle-mêle Il y a beaucoup de poubelles chez moi, normal parce que je fais voilà, chers auditeurs, euh, c'était là le titre d'Oliprane de l'artiste Hakim Le Samy, poursuivant avec le loti du jour qui nous parle de l'utilisation du téléphone de son conjoint ou sa conjointe sans autorisation. Ah, ah oui, sinon, euh, nombreuses <laughs> sont les femmes qui cèdent à la tentation en fouillant les téléphones cellulaires de leurs conjoints. Certains maris le font également, bien sûr. Mais pourquoi le font-ils euh, Cela en sachant que le portable reste quand même un outil personnel et privé. Écoutons plutôt euh, cette discussion croustillante entre Maria Diallo Kenda et Talata Abdou Apparemment, tu en fais partie. <laughs> affaire, affairage, affairage, affairage. Et Alain, depuis là, je suis sur ce téléphone. Je n'arrive même pas à déchiffrer son coude. Peut-être même c'est avec l'empreinte de son doigt qu'il ouvre l'appareil. Bonjour, ma copine, bonjour. Hé, eh, hey, Alissa, tu ne m'entends pas Je te salue. Toi là, tu ne vois pas que je suis concentrée sur un travail <laughs> Pas besoin de le dire. On peut le voir à des milliers de kilomètres. Au fait, qu'est-ce que tu fais avec une feuille et tous ces schémas Tu es devenue mathématicienne ou quoi <laughs> C'est ça. Écoute, ma belle, j'essaie de trouver le bon chemin pour décoder ce portable. Eh, mais tu me fais rire. Comment as-tu oublié ton mot de passe Toi aussi. C'est celui de mon mari. Il est bizarre ces derniers temps-là. Alissa, ne fais pas ça. Tu pourrais regretter de voir ce que tu cherches dans ce téléphone. <laughs> non, t'inquiète, je fais vite et je le ramène avant qu'il ne se réveille. Ce n'est pas possible. Tu es vraiment déterminée à fouiller dans le téléphone de ton mari Hé, parle doucement. Sinon tu vas le réveiller. Je le vois depuis quelque temps s'isoler pour passer des coups de fil. Toujours entendre des cris des SMS. C'est sûr qu'il parle à une autre femme. Je dois savoir qui est-ce. Hey, Allah, c'est vraiment irresponsable. Je dirais même immature. En plus, ton mari pourrait le prendre très mal. Ce n'est rien. C'est pour cela que je profite de son sommeil pour prendre le portable. Regarde tout le mal que tu te donnes. C'est à la limite de la torture. Et si tu découvres qu'il voit une autre personne, tu auras mal. Et dans le cas contraire, tu te seras torturé pour rien. Le plus compliqué, et que si ton mari les découvre, tu auras détruit la confiance qu'il a en toi et l'harmonie qui existe dans votre couple aussi. Hmm. Tu sais quoi Tu dois avoir raison. Hmm. Cela fait une semaine que je mène cette enquête. J'ai dû surveiller ses moindres mouvements pour connaître ses chemins. <laughs> On appelle ça enquête et filature. <laughs> oui, enquête. Et pour un résultat si peu satisfaisant. Arrête un peu de te moquer. Hmm. Moi, je te dis, pour toi et pour tous ceux qui fouillent dans le téléphone de leur partenaire, sachez que cette pratique peut détruire votre relation. C'est un conseil hein, que je vous donne. La confiance est la règle d'or. Et je vais aller déposer ce portable. Mais, je nous disais ce qu'on dit, non La confiance n'exclut pas le contrôle. <laughs> Chers auditeurs, c'était le loti du jour à présent. Retrouvons la culture linguistique en anglais et en français avec Samira. Elle nous explique le mot respect. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to your show Culture linguistique. Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Culture linguistique. Pour bien vivre en société, nous avons besoin d'établir, mais surtout de respecter des lois. Vous l'avez deviné, le mot du jour est respect. En anglais ou en français, le mot respect reste le même à l'écrit, mais la prononciation fait la différence. Respect is the feeling of deep admiration for someone or something, elicited to their abilities, qualities or achievements. That means le respect est un sentiment profond d'admiration pour quelqu'un ou quelque chose, suscité par ses capacités, ses qualités ou ses réalisations. Prenons un exemple. She is respected by everyone. That means elle est respectée par tout le monde. Un dernier exemple. Law is made for being respected. That means la loi est faite pour être respectée. Le respect implique de se soucier de l'impact de nos actes sur autrui, être inclusif et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont, même lorsqu'ils sont différents. Respect involves caring about the impact of your action on others, being inclusive and accepting others for who they are even when they are different. Le respect commence par la confiance et est lié à l'empathie, la compassion, l'intégrité et l'honnêteté. Respect being with trust and is linked to empathy, compassion, integrity and honesty. Chères auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Samira, cher auditeur. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. J'ai dit bien 82 89 89 64. Et oui, et justement, écoutons les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. assalamu alaikum sunana alhassan na hajo dan kasuwa ne a nan birnin tano to ina shuraren da margo fm kuma ta hanyar ta muke shuraren studio kalangu a nan garin tano ina gaida macile meliki ina gaida sabu ina gaida idin mai sudir ina gaida lawo da sauran jama'ar tano gaba daya assalamu alaikum sunana abdullahi abdu a nan tano wanda aka yi sani da macile muna shuraren shirye-shirye na studio kalangu ina gaida suleiman ture ina gaida isa emuta ina gaida umar labiyad duk ina gaida intanet gaba daya sunana dan mama mai sabulu lawai tudun na samu bisa ga rediyo kalangu muna jin muryoyin ku su asuma musa arjika niya fm rediyo kwani su haruna mamman babu duka da sauransu na yin gidan rediyo daban-daban na jihar mu tawa bayan haka ina gaida karaɗe mai leda tsaunar goma sai salisu bakawa ragogina alawai tudu na samu ni ne baushi audu ina gaida sabu'u ina gaida magaji ina gaida lawali mai karahuna ina gaida jikan tsoho dan ayya ina gaishe su gaisuwa fata alheri da yan gidan rediyon da lawali shafshaf da yalutu suna na isa ya mutu dan eh, da sante tano eh gaskiya kalangu mun ji daɗi mana shuwaron kuma a madadin ku zan na gaida dukkan ma'aikatan likita gaba daya in fara da matata tambara ita ma likita a son kim a fasko mu zandar tano gaba daya da su Jos ina gaida kowa da kowa ga Suleiman gaida shi Umar da shi technician kin na gabana ina gaida kowa da kowa naku Siri Galari Samakiri a nan nan da haka nake isar da gaisuwa ta zuwa ga wanda suke hada musamman a tare da Studio Kalangu wato ma'aikatan FM da Mergu da muke tare da su a nan nan muna biye da ku sau da kafa musamman a shirye-shiryen ku wanda ban mu gane komi abin da ke tafiya a ƙasa amma kuma ta hanyar Studio Kalangu yau kam ya waye musamman bangaren kiwon lahiya Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Enfin, cette émission hein, du Niger sur Kalango de ce lundi. À la présentation, c'était Samira Rafi et Ali Monkela Husseini. C'était un plaisir de partager ces une heure avec vous. On se dit à demain.